On avait Cheikh Tidiane Diagne journaliste sportif à la RFM Cheikh Tidiane débrief match Sénégal bi tey. alors euh, match bi li ñu si mën a jàpp moo di euh, c' y' a un regret Il hein. y' a un regret franchement parce que c'est un match bi nga xamante ne à la limite euh, mënoon nañu si génn lu mu bon bon avec le point du nul mais bon après on a vu qu'en seconde période l'équipe équipe dafa xaw perdre un tout petit peu de clairvoyance donte a une occasion de but mais malheureusement on n'en a pas mis et quand le haut niveau c'est comme ça si tu ne mets pas de but derrière euh, les gens ils te mettent de but donc finalement c'est arrivé à cette équipe du Sénégal qui mm-hmm. peut bien avoir des règlements. dans la ok certains depuis tout à l'heure ñu ngi réaction certains remettent en cause certains choix du coach un choix tactique oui parce que aussi euh, les changements C'est vrai que est sorti sur blessure il y a aussi Cheikhou Piat, je pense qu'il est sorti également sur blessure donc c'est des choses qui ça peut arriver dans un match mais aussi au niveau de soxla nga y également y a une vue dans le jeu et je pense que cette fois-ci Aliou a fauté parce que je pense que ku mhm. euh, je sais pas comment ça s'appelle euh, l'autre jeune du nom de. Pathé 6 également normalement waroon na mën dugg parce que c'est des gens yi nga xamanteni même ba si Moustapha Nam waroon na mën dugg parce que bo xolé les derniers matchs qu'on a eu à jouer Mustapha Nam il était en pleine confiance tay yi waroon na mën dugg ci match mel am na mu wone mais à quoi ça sert d'appeler quelqu'un qui nga xamanteni à la limite chaque jour boo ko indee da koy teg ci banc mm-hmm. Eliman on le voit faire des belles choses avec son équipe en Angleterre mm-hmm. ñepp japp ni xeyna tay yi jii bu ñëwee dana samp Eliman au pire des cas même ko samp sax xëy na bu génnee bu dana ko dugal pour hmm. apporter du sang neuf et de la folie parce que tamit football moo demee noonu il faut que mu am de la folie mais quand il a des gens yi nga des talents confirmés avec leur expérience et que ñuy def ay erreur eh, mais donne la chance aux plus jeunes hmm. le Mendy avec toute son expérience il a commis une erreur pour le premier but et même pour le deuxième but je pense que son euh, maanaam euh, sa responsabilité est engagée hmm. mais bu fekkee da nga ne que expérience ngay demee alors que jeunes yi ngi fi mais jeunes dañ leen dugg expérience et je pense que des compétitions comme ça ay ñoom Elimane ay ñoom euh, Ciss ay ñoom Moustapha c'est des jeunes que l'on peut faire entrer dans un terrain de football et effectivement, ça peut, ça peut changer des choses. Et je pense que peut-être que le prochain match, ça, ça, il, va aller Effectivement, il reste deux matchs, deux finales. Qatar, bon, équipe à niveau, mon niveau, ils jouent quand même à domicile. Équateur Ah. Équateur, c'est des, des, des, des, rageurs, c'est des. voilà. Donc, nous, Bon. Euh... Qatar euh, clairement oignon. ñëw joue euh, son va-tout pour ce match là contre le Sénégal parce que match bu mu jot def euh, en ouverture manam piège lay doon. Ah. bu ñu les référence Ce match boobu piège lay doon ça peut être un autre match parce que démb dafa tase équipe nga xamante ni c'était c'était équipe nga xamante xam nañ ko Équateur. Hmm. am nañ quelques individualités te bo xolé les pays de l'Amérique latine c'est des gens yi nga xamante de c'est des baroudeurs ay footballeurs lañu hmm. alors que Qatar bo xolé c'est presque sa première fois à domicile devant son public devant disons les autorités et tout et tout loolu mën organiser ba xëy na li nga xamante ne waroon nañ ko def defuñu ko. Équateur en a profité am le métier ba pare def la différence. mais clairement bu ñëwee le prochain match contre le Sénégal maanaam seen bakkan lañ ciy teg. ça peut être un autre match donc ñun ñaar ñëpp on est dos au mur ku ci perte toog donc euh, Sénégal na pas parce que boo valeur intrinsèque je considère que le Sénégal est un war Qatar. Mm. Euh, même sur le plan collectif également je pense que le Sénégal un mm. war moins Qatar. mais il va falloir ressortir une autre match avec beaucoup plus euh, d'engagement et beaucoup plus disons de détermination et même d'efficacité devant les buts.